C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les ondes de nos médias partenaires pour notre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, Rabia Mekano et Salamatou Kadri. Salut, ça va ce matin ah Oui, Ravi, je vais super bien au programme d'aujourd'hui. Dans cette édition, nous aurons le flash d'information, la rubrique hebdomadaire santé, Axé sur le cancer du sein, nous ferons un tour à Tawa pour l'écho des régions, nous aurons du sport et bien sûr la chronique Loti qui informe en humour. Rabi, nous ouvrirons également une page d'histoire dans cette édition avec la découverte des différentes représentations à travers les ronds-points de la ville de Tawa, capitale de l'Ader. Et c'est dans l'entretien du jour. L'édition est assurée par Adam Adawaki et la technique par Mustafa Ayouba. your God. tout de suite le flash d'information avec euh, Rafika Attar. Bonjour, Bonjour Rafika. Bonjour les filles, comment vous allez Ça va bien. Hein. Alors pour ce matin, l'Union européenne a annoncé hier dans un communiqué l'adoption d'un cadre pour les sanctions à l'encontre des membres de l'administration militaire du Niger qui a destitué le président Bazoum Mohamed le 26 juillet dernier. Les sanctions constituent un gel des avoirs et une interdiction de mettre des fonds à la disposition d'individus et d'entités ainsi qu'en une interdiction de séjour pour des individus, a déclaré Joseph Borrell au représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères. Le communiqué précise que l'UE reste engagée envers le peuple nigérien par le biais d'une aide humanitaire visant à remédier aux pénuries de produits de base. Le camp des soldats français de Wallam de la région de Tilaberi a été officiellement retrocédé dimanche aux forces armées nigériennes dans le cadre du désengagement des troupes françaises au Niger. Selon les responsables militaires nigériens et français, l'opération se poursuit normalement avec près de 300 militaires français ayant déjà quitté à la date du 20 octobre 2023 et plus de 700 autres qui sont en instance de départ pour que le processus puisse s'achever au 31 décembre 2023 comme annoncé et convenu par les autorités. Enfin, la présidente du comité de gestion du Fonds de la solidarité pour la sauvegarde de la patrie, Madame Brareki Moussa Hassan, a rencontré hier les artistes nigériens en vue de solliciter leur accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de communication pour l'accomplissement de la mission de ce fonds. Après une présentation détaillée du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie par la présidente du comité de gestion, les artistes présents comptent apporter leur modèle contribution. À noter que c'est l'ensemble des structures des artistes musiciens, comédiens et humoristes du pays qui étaient présents. C'est tout pour ce flash d'information de ce matin. Merci bien, Rafika. À bientôt. À bientôt. Dans un instant, nous suivrons dans cette édition un entretien avec Assouman Abarché. Il est enseignant à la retraite et homme de culture. Il va s'entretenir avec notre, notre reporter sur la symbolique des différents ronds-points de la ville d'Ottawa. un entretien réalisé par Assouman Aboubakar. Rabi, avant d'entamer la première partie de notre entretien, écoutons ensemble notre première musique du groupe de rap Honest avec le titre Jump Jump né en 2003. Ce groupe est né en 2003 du duo Roxim et Freddy Gaz pour montrer que l'union et la détermination à une même fin. Il fait partie des groupes phares du Niger. Il est le vainqueur de Nescafé African Revolution de 2006. comme nous. En tout cas, ça danse au studio. <laughs> annonce notre entretien du jour à vie. <laughs> oui, salut. Des monuments ont été réalisés, dressés aux différents ronds-points ou carrefours de la ville d'Ottawa qui symbolisent ces différentes réalisations. Asuman Abarché, enseignant à la retraite et homme de culture, nous éclaire sur la question. Il est au micro de Assouman Aboubakar. Ces différents ronds-points représentent l'ADER. Vous dites l'ADER, c'est pas ADER, c'est ADER. ADER, c'est l'eau il faut voir euh, la magia, quand on parle de la magia, il faut voir Atawa Babaï. il faut voir à Keita, la mare de Keita, il faut voir Tabalak, donc c'est l'eau, là c'est l'eau. Et le mortier, c'est pour piler, donc c'est l'agriculture. Il y a une autre euh, symbolique qui n'a pas apparu, c'est la vache, l'animal. Donc quand tu dis Ader, c'est l'agriculture, l'élevage et c'est l'eau. D'où le seul produit qui fait parler de Tawa, c'est le gelé de Galmi, les oignons. Donc, à part les oignons, il y a beaucoup d'autres choses que l'ADER renferme. Aujourd'hui, c'est symbolique, c'est vous dans des quartiers et appellent points différents. Oui. Est-ce qu'il y a une spécificité par rapport au choix de l'emplacement de ces différents Il y a une spécificité. Actuellement, nous sommes au mois d'octobre. Quand tu comptes la population des occupants, des vrais Tawaïens, des vrais Adrawa, au mois d'octobre aujourd'hui, et quand tu vas la compter dans deux mois, dans trois, en janvier, tu vas voir que la ville est pleine parce que tous les gens sont de retour des champs. Maintenant, la moitié, sinon les deux tiers de, de, la population Tawa se trouve dans des hameaux de culture. Il faut qu'ils finissent les travaux de culture, qu'ils engrangent avant de revenir maintenant enchaîner avec le commerce ou bien avec ce que vous appelez l'exode pour aller ailleurs chercher. Donc euh, c'est symbolique, la boule là, le, mortier, l'eau, le, c'est le travail. Donc les gens de Tawa sont des vrais travailleurs. Je vais te raconter une anecdote. Jusqu'en 1977, dans chaque cour, quand tu vas, tu vas trouver les habitants et à côté, tu vas trouver deux ou trois vaches pour le lait, avec deux ou trois chèvres. Mais en 1977, avec le premier festival de la jeunesse, donc après le festival de Zender de 1976, le deuxième festival de la jeunesse au Niger, c'est Tawa. Alors le maire a dit, ah, il ne faut pas que les étrangers viennent nous trouver vivre avec nos vaches. Donc je vais faire en sorte que les animaux évacuent la ville pour le trouver quelque part, pour les parquer. Et maintenant, les gens, la ville sera, euh, saine, sera un peu euh, libérée. Alors c'est à ce moment-là qu'on a créé ce qu'on appelle Ruga. Ruga, c'est à côté du château d'eau Donc Ruga, toutes les vaches qui sont dans, la ville sont parqués là-bas. Et le matin, tu vas voir les femmes, les hommes, chacun avec une calebasse, avec un récipient pour amener de quoi manger à sa vache. Et le soir, ils vont chercher le lait. Et mais maintenant, petit à petit, l'emplacement est perdu. Rouganagaspil, c'est même devenu un quartier, c'est habité. Et petit à petit, certaines vaches sont revenues. Mais les gens qui ont compris, ils ont envoyé leurs vaches ailleurs chez des bergers qui vont s'occuper d'eux. C'est pour te dire donc que le Bahadari a toujours vécu avec la vache, il a toujours vécu avec son grenier. Donc nous sommes dans la grande ville, c'est pourquoi tu ne veux pas avoir de grenier. C'est pour qu'un symbole, quelque part à côté de ces ronds-points-là, on a créé un grenier, là un peu au sud-est du marché de Tawa. Et ce grenier-là, c'est pas par exemple qu'on l'a placé là-bas, c'est le quartier de Nkabu kabou qui est un célèbre cultivateur de la zone. Donc c'est pourquoi en même temps qu'on a fait les ronds-points un peu partout de la ville, on a fait le grenier là-bas pour, pour nous rappeler un cabou, le grain cultivateur. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de représentation dans notre pays. Mais c'est modernisé. Est-ce que du point de vue culturel aussi ça, ça Non, tu sais, euh, c'est que le monde va à l'envers. Au lieu de garder ce qu'on a hérité, on cherche à moderniser Or, en modernisant, on transforme. C'est pour que nous, nous essayons de rester nous-mêmes. Donc, c'est dommage. Avant de poursuivre avec la seconde partie de notre entretien, marquons une pause musicale pour écouter un deuxième son de l'orchestre National qui chante L'ambiance accorde l'ambiance sur cette émission. Dansons ensemble. zig zig, zig, salamu omar soni za koma musa kaido ai ai ai mana titi soldier? so yeah. koma Adere Kaize Azizi illa Azizi Kaize Azizi managa andinigo Galapinde mahajid mahiga Umar samaido Wala muhattaido Soni daigan hano Nodini mugtari hando Ofa apuri nyeteni fa faminya maize mani hakuba aita fama tendi bai bola daise alai gagano alo tura bon shoki shoki de Sali Sali, merci. Ah, Ta playlist, elle <laughs> déchire, elle réveille. Oh, cette émission, je sais pas pour vous, mais moi, je kiffe trop cette playlist aujourd'hui. Il faut dire nous. Oh, ok. <laughs> Voilà, on <laughs> revient au studio, Sali. Oui, retour au studio pour finir notre entretien avec euh, Osman Abarché sur le rôle qu'il a joué dans la promotion de la culture de l'ADER bon nombre de personnes mhm. ne vous connaissaient pas. Peut-être ils peuvent vous reconnaître à travers vos œuvres, que ce soit matériel ou immatériel. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous Bon, en tant que personne, moi je suis donc, euh, comme je dis, un homme qui aime la culture. Je suis un homme de culture. J'ai toujours aimé mon pays et j'ai aimé la culture de mon pays depuis mon bas âge. Avec euh, mon grand frère Mona, c'est nous qui avons monté le ballet Girka à Kacheko Abari. Après, euh, en 2001, il y a eu le festival de Maradi. J'ai monté une pièce théâtrale. Euh, c'est elle qui a remporté le premier prix de la pièce théâtrale de Tawa. En 2003, il y a eu le festival de Dosso. J'ai monté une autre pièce théâtrale. C'est elle qui a gagné le premier prix. Donc, je suis un metteur en scène euh, qui intervient dans les ballets. Au dernier prix, euh, euh prix j'étais le metteur en scène qui a mis en vogue donc le mariage entre la musique moderne et la musique euh, traditionnelle. C'était un montage. Donc, en gros, euh, ce que tu vois là, euh, cette biche-là, c'est lors des événements culturels. Tous les événements culturels de Tawa, c'est moi qui monte les scènes. Lorsqu'on a fait le festival pour le tourisme, le Saho, j'ai monté le festival de Maboya Amari pour raconter l'histoire de Maboya Amari. Avec la lutte traditionnelle, j'ai fait le montage de Tawa, le berceau de la lutte traditionnelle. Avec euh, le festival de 2007, avec mon grand frère on a toujours, nous avons monté le festival de Tasegui, qui a donné son nom à la maternité. Et au dernier festival de 2017 à Tawa, c'est moi qui ai monté si l'Adar m'était compté. Et ça, là, j'ai parlé de l'histoire de Agaba, de Tawa. Donc, en gros, c'est des grandes œuvres, mais en, moins grand que ça, j'assiste dans les machins, j'encadre les étudiants de l'Université d'Ottawa, pour tout ce qui est, qui culture. J'encadre les étudiants de l'école normale Kawusen d'Ottawa pour tout ce qui est culture. Et je suis toujours avec euh, les, les jeunes qui veulent apprendre ce qui s'est passé autrefois ou ce qui l'histoire nous raconte. Quel message avez-vous à transmettre aux jeunes Le message que je voudrais transmettre aux jeunes, d'abord le message que je transmets aux, aux parents des jeunes et à nos parents. Les grands-parents c'est l'État. Maintenant, nous sommes dans une période de transition. Je souhaiterais que la transition réfléchisse pour voir quel est le moyen de rassembler les jeunes pour qu'ils apprennent les uns des autres. C'est pourquoi euh, la dernière fois, il y a eu une rencontre au niveau des Niamey avec les différents directeurs du festival. C'était donc euh, au mois de mai. Et nous avons souhaité que le festival de la jeunesse revienne. Parce que les petits regroupements là, c'est des perditions. Mais quand il y a un festival de la jeunesse nigérienne, au même titre que ce qui se passe ailleurs, par exemple au Mali, il y a la biennale, dans certains pays, il y a certains festivals. Au Niger, il y a un festival de la jeunesse, pleinement jeunesse. Parce que maintenant, les partis politiques, chacun a sa petite troupe. Ça, là, on se perd. Mais quand il y a le festival de la jeunesse, avec des thématiques bien données, je pense que le Niger va euh, se retrouver. Maintenant, aux jeunes, comme tu l'as dit, je dis aux jeunes de ne pas se fier à ceux qui viennent d'ailleurs, d'avoir confiance à ce qu'on a. On a un patrimoine très riche, très varié, et vraiment, si les jeunes s'occupent de ça, il n'y aura pas de perte. Maintenant, actuellement, quand tu dis à un enfant, même les simples objets. La dernière fois, je disais à, des jeunes, est-ce que vous connaissez Toulou Toulou, là, ils ne savent pas ce qu'est Toulou. Ils ne connaissent pas ce qu'est Casco. Ils ne connaissent pas ce qu'est Quatarnia. Ils ne connaissent pas ce qu'est Randa. Parce que le plastique est venu, il a tout remplacé. La natte, là, de, la natte de tissage, là, si on fait au cours du festival là, on dit que chaque région n'a qu'à amener ses nattes. Vous allez voir les nattes de Tilaberi, les nattes de Madawa, les nattes d'Agadez, les nattes de Zender. C'est des nattes, mais elles sont différentes. Donc on va réutiliser ce style-là pour, au lieu d'acheter des nattes en plastique, acheter ces nattes de chez nous. Regardez mon hangar, c'est un tissage de chez nous. Donc tout ça là, c'est pour dire à la jeunesse, au lieu de chercher loin, non, non, de rester soi-même, de consommer soi-même de voir ce qu'on cultive, de voir ce qu'on produit et de transformer. C'était Assoumana Barché, enseignant à la retraite et homme de culture sur la symbolique des différents ronds-points de la ville d'Ottawa, un entretien réalisé par Assoumana Aboubakar. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Rabi, aujourd'hui dans la rubrique santé, nous en saurons plus sur le cancer du sein. Oui, Sally, le cancer est une maladie qui peut toucher tous les organes du corps humain et celui du sein touche généralement les femmes, mais il est dépisté également chez les hommes. Cependant, détecté à temps, le cancer peut être soigné selon les explications de Madame Bachir, docteur Rabo Leila, Leila, médecin responsable médical à SOS Cancer. Elle est interrogée par Zainabou Abdou. Docteur, qu'est-ce que le cancer le cancer, à définition, il s'agit d'une prolifération cellulaire et liée à un échappement euh, du contrôle du mécanisme de régulation de l'organisme. C'est-à-dire, il y a des cellules qui vont se lever un beau jour et ils vont échapper au système de régulation du système normal de l'organisme qui est l'homéostasie. Donc, ils vont évoluer dans leur propre compte. Donc, c'est ça qui crée le cancer. Quels sont les types de cancers il y a plusieurs types de cancers parce que chaque partie de l'organisme peut être atteinte par un cancer. Donc on peut dire qu'il y a le cancer du sein, du col de l'utérus, il y a le cancer des yeux, de la bouche, des poumons. Chaque organe de l'organisme peut être atteint par le cancer. Parlons du cancer des seins. Pour le cancer du sein, c'est un cancer qui généralement qui touche les femmes en majorité, mais les hommes aussi ne sont pas épargnés parce qu'il y a des cas mais c'est très rare. Alors c'est un cancer qui se manifeste généralement par des anomalies qu'on peut remarquer au niveau du sein qui peuvent être entre autres une masse et une modification du mamelon ou bien de la peau en regard du sein, un écoulement anormal qui peut être sanguinolent ou verdâtre, une plaie avec ulcération au niveau du, du sein. Donc il y a des signes qui interpellent la femme les voit, avant même qu'elle les voit, elle peut passer. Ici au centre espèce cancer, on va faire le dépistage. Il y a aussi des adénopathies et on appelle ça des ganglions axillaires, des petits boutons qui peuvent apparaître dans les aisselles. Ça interpelle aussi. Donc devant ces signes, une femme peut passer pour faire le dépistage et on l'examine. S'il y a nécessité, on demande euh, des examens complémentaires à savoir une échographie couplée à une cito ou bien une mammographie pour pouvoir poser le diagnostic. Comment se fait le traitement du cancer du sein Bon, le traitement du cancer du sein, ça dépend du stade. Sinon, et eh, en général, il est basé sur euh, la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Donc, en fonction du stade du cancer, on fait une indication. Il y a des cas où on fait uniquement la chirurgie ou couplé à la chimiothérapie plutôt, ou des cas où il faut faire les trois tranches. On fait la chirurgie, la chimio et la radiothérapie. C'est sur ces trois bases. Et combien de temps peut prendre le traitement ah, Le traitement, ça dépend de l'évolution. Plus le cancer est vitaux, plus la prise en charge est plus facile. Le temps est plus déterminé. Mais ça dépend vraiment du stade et de l'état de l'état de la patiente, du terrain. Comment prévenir le cancer du sein La prévention, c'est surtout le dépistage. N'attendez pas au stade de la maladie pour venir consulter. D'où l'importance du dépistage. Dépistage, ça veut dire chercher la maladie avant même l'apparition des signes de la maladie. Donc, une personne qui vient pour un dépistage, on détecte un petit nodule ou bien une petite anomalie, on prend ça rapidement en charge, on fait la surveillance. Donc, euh, il y a aussi l'activité sportive ça contribue beaucoup. Et le fait de faire du sport, ça a une importance, ça protège, non pas seulement contre le cancer, mais contre les maladies cardiovasculaires. Et peut-il y avoir des complications dans le cas du cancer du sein Bien sûr, il peut y avoir des complications parce que imaginez une personne qui a un cancer, elle est restée à la maison jusqu'au stade final. Là que la personne se présente, on ne peut plus rien faire. Euh, je suis désolée, on appelle ça euh, traitement palliatif. On ne fait qu'accompagner la personne parce que c'est arrivé à un stade, même si on, opère, ça change rien. C'est ça on appelle le stade de métastase. Quand, quand ça devient métastatique, ça veut dire que le cancer s'est généralisé dans l'organisme. Il n'y a pas un traitement pour ça. Donc c'est une forme de complication. D'où on appelle euh, les patientes, les femmes à venir euh, tôt pour se faire dépister, pour éviter d'ailleurs ces, ces, complications. Le cancer du sein est-il contagieux ou bien héréditaire Contagieux, je dis non. Héréditaire, oui. Il y a des facteurs héréditaires. Par exemple, le cancer du sein, quelqu'un qui a une mère, une grand-mère, un membre de sa famille qui a fait le cancer, et la descendance a une chance de faire ce cancer. C'est pas dit que forcément parmi ces descendants il y aura une mais il y a un risque qu'un membre de descendance fasse le cancer. Donc le facteur héréditaire il est incriminé. Merci bien Zainabou Abdou. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de notre émission Le Niger sur Kalangou à travers nos radios partenaires. Repartons un rap avec la formation fédérale Tissi qui nous chante Hawker Mike. chop shop, hop, hop, hop. alo jaha wasi wasi matini ka nida kana bana sifi sifi dila hai kai mada tunda bi simi lama kanda lama dala ngo ya warato wala wara mana to zamba gadi do yansi kalikula matematika mapasa moto mode pas aboro tu impas sila pas salera ka pembe gumbe hong kuna kane ka kana kama na dung kora bumbu ka pei zamani ya ka basina kwani nyoko nyoko la bisa baza zame yo ama nodda al koro now now al nika to madu guzoro tulo matunu dugo matunu bus bus hong kuna bato kuna ne wano. baro kula ka zikeda moto down the flow artist o masabone kamba bene oniva shop shop

ni gabari baraka batini yau cinibira muka muka bahamudai kube ni gakani yau se muka muka buzawatini di malam igini talam igini kufa komen fada rumfa karabele Kufa kufa. kunfa banish dai nisti soga tufa zawati din kini se bini bini baraga di baraga ma baraga luma baraga di kamana kamana kalama tu balakar fokuti katsa ol mara mara se jango bataga di halerga to yongo nonka nega di taga tega jokula bedi para manda da beson nimete batisi masuko gatisa naba umsi ham fopaga jokombati yala bara mina kate wada sina sete milora apoga nisi di charboga don don don don don don don karama kada karama faraga mata kaniba mata kula kaniba tauro gabisa masa de bille de bill how faru come vele hey boro kula cigar ni jin come ne de bill gana gaze dala down the flow artist so masa bone kamba bene honey vibe hop bora mic hop bora mic hop bacene gabari bora kabatulu ho ho ho federo ho kwabo ko bacene gabari bora kabatulu ho ho ho federo ho bada baka fana na basise fole da wadana fo sise pete bana jaba saka gaba gaba kajuko yawa zada baba gaba baka fada soja bada wasa kuma bada daga na bana fili zada baka amsa rapa dan sansa gada kuma abuka gada fa gaba za gada fa gaba za gada fa gaba za gaba boma sirkar microphone cheka Il est 11h passé de 30 minutes. Il est l'heure de notre tour. En rejoint Parlons sécurité à présent, partant dans la région de Tawa. Plus précisément, dans le département de Birnikoni, des personnes sont enlevées fréquemment. Les autorités de ce département indexent certaines personnes venues d'un pays voisin. Garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ya zamo sana'a neman kuɗi a cikin gundumar birnin Kwanni. Mazauna garin birnin Kwanni na zargin baƙi da suka hito ƙasashen waje makwabta da suka nemi wuri suka zauna a unguwar ƙaura. Mai martaba sarkin Kwanni, Mamman Salu Sardauna, kira yayi ga hukumomi na bariki domin ƙarfafa da bincike da sa ido gare su bisa ga ayyukan da suke yi suna samu a cikin wannan gunduma ta birnin Kwanni. Magana ta karɓar baƙi yau ba siri ba ne cikin garin ga duk abin da an ka ɗauko da wani gari in an ka biyo shiga sai a ce ƙaura duk wanda an ka kame an ka ce a biya kuɗin kinafin sai a ce ƙaura kuma Allahu alam mutane suna zargi na wasu da sun fito daga kasashen makwabtanmu ana zargin su bisa ga wannan lalura kamar wadda ni haɗi wani ba a kora kowa amma shina da kyau ga waɗanda aka zargi in ya tabbata san sanwa ba shi yiwuwa a sa ido hakanan na faruwa kullun jama'a sun fara bayani sun fara husata har ya kai inda wasu suna batun su zo da kansu su ɗauki wansa in abu ya kai inda za a ɗauka wansa to abu ya lalace zai zama wani yaki tsakanin mutane da mutane wani ga wadda ta gadi zaman lahiya ya kamata a tabbatar da zaman lahiya da haka mun ka faɗa ma furfe ya kamata wannan lalura tsaida ta ka zaka ka zamna an baka masabki ka je ka nemi abinci point. Daga nashi bangare shugaban gundumar birnin kwanni kaftan abubakar alishina ya sanar da cewa za a ɗauki matakai don kai ƙarshen wannan matsalar tsaro wadda ake fuskanta a cikin wannan yanki. Birnin Konni, connu depuis des décennies comme étant une ville où réside la quiétude et l'harmonie, où la paix règne et que l'étranger ne s'est jamais senti étranger. Voilà qu'aujourd'hui, à travers son hospitalité, une certaine insécurité s'installe. Et insécurité, jadis euh, devenue insupportable par la population, se voit attisée par ses propres fils en collaboration avec des étrangers venus du pays voisin. À cela n'en Cette euh, hospitalité légendaire de Birninkoni ne sera jamais ternie par conséquent, nous utiliserons tous les moyens à notre disposition. Je dis bien tous les moyens à notre disposition pour y mettre fin, quel que soit le prix. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. L'émission Le Niger sur Kalangou se poursuit avec la page sport et nous sommes dans ce studio avec Soumana Amadou, notre chroniqueur sportif du jour. Bonjour Soumana. Bonjour à toutes. Alors dans la série de situations de sport en région, aujourd'hui qu'est-ce que vous nous proposez Eh oui, nous allons donc euh, voir la situation des disciplines sportives pratiquées dans le département de Walam, région de Tilabiri. À ce sujet, notre envoyé spécial Adam Sario s'est entretenu avec Lawali Adamou, directeur de la jeunesse et sport de Walam, qui donne beaucoup plus de précisions. Nous disposons d'un club malibéro qui est officiellement reconnu par la FENIFOOT et aussi vis-à-vis de la FENIFOOT, elle est en règle. Nous disposons aussi de districts, en tout cas de lutte, officiellement aussi reconnu au niveau de la fédération de Fénilut. Et que au championnat de Maradi, grâce à Walam, on a pu décrocher le sabre avec janvier et aussi du club Mali Bureau ayant représenté l'ensemble de la région au niveau national. Du côté d'athlétisme, qu'on fait des courses, des marches et en collaboration avec la direction, nous faisons des compétitions. On vient de finir le grand tournoi des grandes vacances avec euh, huit équipes. C'était l'armée française là qui vient de quitter, qui l'a financé. Le défi, c'est à plusieurs niveaux. Un tournoi, il fallait de l'argent. Et qu'il fallait intensifier les compétitions en ce moment qu'on peut marquer des jeunes talents. Et au moins essayer de voir comment les proposer au niveau national. Vraiment, le moyen en font défaut. Parfois même les ballons, ça se compte. des yeux de maillot, ça se compte. Le terrain même, euh, euh, actuellement, avec euh, la collaboration de ministère, on est en train de voir comment essayer de le rendre en tout cas utile et que ça soit un terrain omnisport qui peut abriter presque l'ensemble de toutes les disciplines du département. Et eh bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mesdames. Merci beaucoup, souana, Chers auditeurs, après le sport, allons découvrir notre star du jour dans la rubrique Portrait. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une femme leader et engagée dans la défense des droits de la femme. Nafisa Ide, la coordinatrice de l'ONG FAD, Femmes, Action et Développement, portrait réalisé par Rakia Arimi. Aja Nafisa est titulaire d'un Master 2 en psychologie, depuis le collège, elle était dans le syndicat et occupait des postes. Aujourd'hui, Nafisato est l'une des femmes très engagées dans la défense et la promotion des droits des femmes, une passion d'enfance. Elle raconte les raisons qui l'ont motivée. Ce qui m'a beaucoup plus orientée sur les questions des femmes, c'est vraiment quand on regarde de manière générale les conditions de vie des femmes. Nous constatons que c'est des conditions qui ne sont pas vraiment satisfaisantes, d'où la nécessité d'apporter une solution par rapport à tous ces problèmes-là que les femmes rencontrent. Également, quand je regarde au sein de ma famille, nous avons plusieurs cas de VBG qu'on peut appeler ainsi parce que nos mères n'ont pas été dans des bonnes conditions au moment où elles sont dans leur foyer avec nos pères. Donc tout cela m'a interpellée. J'ai pas grandi avec ma mère, mais le plus souvent deux fois quand je suis avec elle pendant les vacances, j'ai tendance souvent à péter les plombs parce que je vois une femme qui mérite pas de se battre euh, seule pour subvenir à certains besoins. Elle a toujours été euh, femme de famille comme père de famille. <laughs> Doublement, elle jouait le rôle de l'homme et le rôle de la mère. Donc, c'est une femme qui m'inspirait. En 2009, une idée de créer une organisation lui est venue. Nafisa Touide est actuellement directrice exécutive de l'ONG Femmes, Action et Développement Fad Niger. Quand on a commencé à avoir l'idée de création déjà avec euh, les amis, on était même à l'hôpital. Il y avait ma grand-mère qui était hospitalisée, elle était sur son lit de mort, je ne pouvais pas aller à la maison. Donc j'amenais l'ordinateur là-bas pour travailler tard la nuit et constituer les textes de l'organisation. Et Fad aujourd'hui est constitué d'une équipe très dynamique. On travaille ensemble en équipe. On dit qu'on est une famille. Donc euh, tout ce qu'on a eu comme euh, résultat, c'est pas Agia Nafisa, c'est vraiment toute l'équipe qu'il faut revoir. Peut-être c'est le lieu de en tout cas pour tout leur engagement, pour tout leur dynamisme. Ce qu'on fait, c'est vraiment un accompagnement. On fait énormément de formations sur plusieurs thématiques en lien avec la femme. On fait le plaidoyer au niveau local, au niveau national et au niveau international pour plus de participation des femmes dans les instances de prise de décision et leur participation également dans les mécanismes de prévention et de gestion de conflits. On met en place des cadres de hearing, euh, par exemple dans les établissements scolaires, pour responsabiliser les jeunes filles, pour qu'elles arrivent vraiment à prendre euh, en charge cette question de violence milieu scolaire. Il y a plusieurs autres organisations de jeunes filles qui sont créées sous inspiration de l'organisation FAD. Nous faisons également des, des activités génératrices de revenus. On distribue des moulins à grains, des machines à coudre. On met à la disposition également des kits événementiels aux femmes en situation de vulnérabilité ou bien qui sont en zone de conflit pour qu'elles puissent s'autonomiser. Dans les partis politiques également, nous avons identifié des mentors que nous sommes en train d'encadrer pour qu'elles puissent euh, jouer un rôle important au niveau des partis politiques. Nafisa Ide s'est dit très satisfaite des résultats obtenus de leur combat. Euh, je suis personnellement très très satisfaite. Aujourd'hui, vous regardez au niveau national, même au niveau international, si euh, on doit citer deux organisations féminines les plus crédibles et les plus dynamiques, je pense que si on n'est pas première, on sera deuxième. Euh, on a beaucoup de choses en perspective, surtout pour les élections à venir, et je pense qu'on va se mobiliser pour non seulement mobiliser les ressources, mais également apporter beaucoup plus. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, vous faites euh, simplement une comparaison de tout ce qui est évidence. Vous allez constater qu'il y a eu du changement. Euh, je ne dirais pas que c'est grâce à FAD, mais c'est également grâce à tous les efforts consentis par les partenaires techniques et financiers, euh, par l'État et également par les autres organisations de la société civile. Les problèmes sont multiples, multiformes. On ne peut pas les citer parce que si une organisation a pu grandir et arriver à ce niveau, c'est parce qu'on a pu traverser énormément de difficultés et on a pu résoudre pas mal de problèmes. Pour nous, ce ne sont pas des problèmes parce que tout problème que tu identifies et que tu trouves la solution, ça devient plutôt une opportunité. Ses collaborateurs, Amina Bokari, chargée des partenariats, et Tahir Saïz Abdelkader, responsable de logistique et sécurité à l'ONG FAD, apprécient le courage de Haji Nafissa Touidé. Madame Nafissa est quelqu'une euh, qui ne plaisante pas avec le travail, qui est très professionnel, qui sait se montrer très cool, mais vraiment quand il s'agit de travail, elle s'y met et elle veut que toutes les personnes autour s'y mettent. Personnellement, il m'inspire beaucoup parce que c'est son travail qui me pousse à me donner à fond pour ne pas la décevoir, pour euh, répondre à ses attentes. Ah, je trouve son travail vraiment impeccable et parfait. Sur le plan professionnel aussi, elle m'aide à m'améliorer beaucoup. Elle est très rigoureuse. Elle aime le travail bien fait. En un mot, elle est comme une personne il ne suffit pas de faire une chose, mais il faut savoir pourquoi et pour quelle vision vous les faites. Il faut juste rester dans la constance déclare cette idée Les femmes doivent croire à leurs compétences et se mettre en réseau pour se développer ensemble. Chers auditeurs, dernier tour en musique avec euh, l'orchestre Tal National qui nous chante euh, cette fois-ci Bédio Kourniwane, une manière de bien clôturer l'émission. C'est Kani du groupe. Euh, non, désolé, de l'orchestre Tal National. <laughs> Grand groupe, ouais, Tal National. <laughs> Rabi, euh, maintenant, c'est notre chronique Lotti, je crois bien. Voilà, et dans notre chronique Lotti, nous évoquons le sujet de la dot. Et oui, la dot, c'est une somme que le prétendant candidat pour le mariage apporte à sa dulcinée, sa future épouse. Aujourd'hui, certaines familles en ont fait leur fonds de commerce et exigent beaucoup du futur marié. Pour plus de détails, écoutons le loti présenté par Samira Rouafi et Retia Arimi. kina lahiya? Lahiya lau gora ina yara. Lahiya lau wallahi mutu ya gida. Alhamdulillahi. Ina zaki haka? Kasuwa zani wallahi. na ga alama ke ma hakan ko? To mu yi hanya guda. Wallahi mu je. Ke, na manta zan yi wa ‘yata aure talatin ga watan nan. Na gayyace ki ki zo fa. Hmm. Ke kam kin ji daɗi. ‘Ya'yana suna can zube a gida, kamar kayan adon ɗaki. ko mashinshini babu <laughs> wallahi adama hakkin ban mamaki shi ne yasa wannan la'asarkin da kika yi kina son ki da son kuɗinki kina ganin cewa sadaki kaɗan ne in an kawo miki ni ba kuɗi ba na ba ƙarfi abu mai mahimmanci su samu miji na gari ya kuma sa albarka albarka ramatu albarkar nan ba ciyuwa take yi ba ke dan Allah bari ramatu to ba ga irin ta ba haba ramatu da mi zan sayi gadaje tufafi ga su moket da dai sauransu ga wasu kaya ga sunan dai ire-iren su da ake son a sa mai yarinya cikin ɗaki ina zan hito da su ke ni in ba miliyan guda ko bi ba ke in dai ba miliyan uku ma ba aka kawo ba ke ni ba auren nan zan yi ba mi mi miliyan fa kika ce eh mana amma wallahi kina ban mamaki ko dai wasa kike wasa fa ai san ƴaƴana masha Allah ga kyau ga tsayi ga ilimi kuma ga iya kwalisa kin ga dai duk wannan abu ba zan bada su ba ga dan talaka sai mai sefa <laughs> adama ki ji tsoron Allah ki a wannan zamani da da ket ake samun aure wasu ma suna shiga zaman kansu ke kina da lokacin kin aure don karamcin kuɗi ke ga mutu auren yanzu tsada gare shi kun bangaren angwaye ma suna da buƙatar abubuwa da yawa ga akwatin ango kuma ga yin woti kuma ba har da gara haba dai wannan ba hujja ba ce na azawa mutum miliyoyi to kin hana iyarki auren kuɗi kaɗan sai ta ɗauko miki cikin shege wannan ba abin kunya ba ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma wallahi mutu kina da gaskiya duk wannan abun ni ban yi la'akarin su ba a'a to balle ma yadda kika faɗa ƴaƴanki ga kyau ga tsayi ga ilimi da iya kwalisa kowane namiji yana son ya samu irin su kuma kin san makarantar maza yadda take wallahi na sani ga mutum na sai mutum ya shiga uku wallahi da in ji kumyar duniya gwaga ya yi makaina wa'azi daga yau kowanne ta kawo zan aura mata shi a'a to ki yi kanki wa'azi gaskiya burin mace ta ga 'ya'yanta sun yi aure da rufin asiri wallahi insha Allah ga mutum na gode ai wannan shi ake cewa gyara kayanka ya sabke mu raba. wallahi to ke rana na yi mu ci gaba ko gaskiya mu na san dai kin doka kin rage son kuɗin nan lafiya. A ai shikenan shikenan gora. <laughs> passons à présent à la rubrique culture linguistique. Ça sera avec Maman Ada et le mot du jour est méfiance. Bonjour, euh, selon le site euh, électronique Wikipédia, la méfiance est une expression ou un comportement formel de non-confiance envers euh, d'autres, un individu pour une raison. Donc c'est l'état de celui qui se méfie, qui ne fait pas confiance aux autres. Et généralement, la méfiance se développe euh, dans un but de défense ou de recherche de sécurité. Mais en Hausa, eh, ana cewa dari ɗari da wani abu ko kai nuna dari dari kan wasu abubuwa, amma bakin yarda ba ne. Ta mhm. je abin da zamu cewa kan wannan kalmata kin yarda da faransanci ake ce ma méfiance. Chers auditeurs, vous êtes nombreux à aimer cette édition et ça nous touche énormément. Écoutons, écoutons quelques, quelques-uns de vos messages. studio muna sauraron labarurka wanda muka sani da wanda bamu sani ba labarunsu akwai maza akwai mata babu bambanci su kara dai karfin gwiwa akan aikin da suke yi suna na rikaye abdulkadir wallahi muna sauraron labarin studio kalangu kuma muna samun labaran duniya sosai haka nan dai so nake su dan ƙara lokaci kuma kamar labarin da ake yi na namarici ya kamata a ce a shi tun da sai lokacin da radiyoyi suke budewa a fara shi tun da sai ni ne rabi'u buzuzu garin take goma sabuwa eh labaran studio kalangu muna shauraren shi yadda ya kamata saboda akwai abubuwa da yawa wanda ake yi a cikin ƙasar mu wanda bamu san da su ba amma ta hanyar wannan labaru muna jin labaru yadda ya kamata kenan abin da bamu san da shi ba ta hanyar radio kalangu insha Allah inda Allah ya garanta muna shauraren shi cincin karfi wallahi to yanzu abin da nake so su dan kara kamar daga lokaci bi saboda muna samun abubuwa da yawa ta radio studio kalangu fi sabilillahi akwai abubuwan da bamu san da su ba amma ta wannan labaru nasu to gaskiya muna jin daɗi cin cin karfi wallahi amma ke cikin ƙasar ku komi da komi kuna shaurari kai na ƙasar duniya ma duka gaba ɗaya kuna shaurari kawai eh kaji abin da zan ce ma malam Sa'idu Amina Haruna wallahi ina sauraron shi gaskiya suna da ƙayatarwa domin Allah in ba dan haka nan ba wani labarin ma ba kajin shi in ba ta nan ba tunda gaskiya abu ne mai amfani mai inganci wanda ake bukata cikin ƙasa ana son shi su ƙara lokaci assalamu alaikum ni ce sunana simisin kore eh gaskiya ne sa'idu labaran nan na studio kanangu wallahi suna kayatar da mu mu wannan jin daɗin mu ne da Allah ya sama har rediyon nan mu ta samu nan karin garat ko ina a halba yau in aka yi labaru kaji ta abin da yawan zai cikin ƙasa kana saurare to ai shine komi kuma muna fatan Allah ƙara musu hazaƙa yanzu abin da nake so su ƙara ni inda Allah Ubangiji shi ke yin komi shi ne ke yi fatan da nake musu Ubangiji Allah ƙara musu hazaƙa ƙara musu ilimin ƙara ci gaban wani abu in akwai wata rediyoyi ma da can ƙauye su ƙara kai mu can wa'anda sun yasa gabas yamma ko ina su zama na daidai wallahi muna koya musu ba muna ci godiya ku rike tare da su ma Allah rufe asiri malama badariya ibrahim ina sauraron radio studio kalangu yana kayatar da mu sosai eh suna labaru abin da yake wakana cikin ƙasa gabaki daya kuma yana wannan labarun da suke bada suna kayatar da mu muna jin daɗi tunda wasu suna da kurakurai sosai in suka yi suna gyara al'amuran su Gwan. Shop, shop, shop, shop. a ma wanda ake so. Baraki na bawan Allah. lilo. Dan baba da ko yake neman dala yake dan. Shamadaran lilo. Mushe zuba yake neman kuɗi yake shi ma ya sha madaran lilo. Wa ya gaya maka borno gabas ki kai maka sha madaran lilo. In ka gani ta maka sha ta ka kai ɗaka ba ta ta sha madaran lilo. Kai yaro sha madaran lilo.

Finale de cette édition du mardi 24 octobre 2023. On se dit à demain avec un nouveau duo, bien sûr. Vous étiez en compagnie de moi-même, Rabi Meikano, et j'étais avec Salamatou Kadri. C'était Adamadan Waki et Rahila Toussoumana à l'édition. La technique est assurée par Mustafa Ayuba <laughs> Très, bon... après-midi et revient à 17h pour nos journaux. na cewa ya gaya makabar na gabas take a sha lilo a majalimu je kasa zalimu je sama a sha lilo wa ya gaya makabar na gabas take ah. shayi ko kamar ruwa yake ah. gidan haya ko da wuya yake mota haya ita ko hatsari take ah. ke kama zanen ki ana miki leke sarki kawa ka ta kai mu ga soke a taka rawa ka abarka ake ki har jani sama ki barni in lake hausa muke waka muke magana ce muke magana ce muke sauri muke ba mu zuma barne ma in zake barne ma in zake barne mu je kasa in dora miki in ba ta kai miki